أمانة الغيث هم ينبغي أمانة الدين man la liggéey bi ci sama loxo euh, mu judd 1995 comme ni ñu ko xamee euh, dara Ahmad Sakhir Lo ci ñaari ndonga ndonga bu góor ak bu jigéen euh, boobu ba léegi nag ci liggéey bi lañu nekk di yëngutu incha xam ngeen ni ren ji mooy ñaar fukkeel ak ñeent bu ndaje mu Daara Ahmad Sakhir Lo ci boon di def ngir teral ñi mokkal Alquran Euh, daan na ame ci geneen anam gu wuute ak gii ndax anam la daan amee goo xam ni waa réew mi yëpp dañ ko daan xaar ba bitim réew waaye ren xam ngeen ni euh, jafe-jafe yi nga xam ni am na ci àdduna bi euh, ak it bëgg gu ñu bëgg a sëggaat ci liggéey bi xoolaat yi ñu war a beesal ñu beesalaat ko yi war a gën a dëppook jamono mu gën a dëppook jamono yooyu yëpp buñ ko boolee tax nañu ñaan waajur yi ak soppe yëpp ñu amal ko amelin wu ndaw wi donte wu rëy rëy la ndax gis nañ ni mbokk yëpp ñu ngi doon topp ci réseaux sociaux yi ñu ngi leen di jaajëfal ci loolu bu baax eh, atum ren mi eh, at la mu spécial ci eh, dundug daara Ahmed Sakhir Lo ndax lu mësul am ci résultat am na ci mooy téeméer ak ñeen fukk ak juroom yu mokkal alquran lolu bi daara daara ji soso ba tay mu ngi doora am ci dunduk daara ji e, tem bi nga xamni mom lañu tan rañ jiit ren tem bo xamni aduna bi daf ko soxla lol waye rew mi tam daf ko soxla e, mo taxone ñu bëgg tan tem bobu fatali nit ñi jeexital bi nga xamni ni la yarub diine di jeexital ci avancement aw askan su ko defee dina tax ñu mën a gën a sonnaat ci jëmbataat sunu xale yi suuxat leen ci yarub diine comme ni ko suñu maam yi doon defee ba jikko yi nga xam ni moom la ñuy tawat ni jikko yi dafa yàqu dañoo war a sàmm jikko yi ak yu demee ni ki yooyu waaye li gën a mën a sàmm jikko yi tey mooy delluwaat ci njàngalem alquran ak njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa la ci jiitu mooy fasal yéene tàggat xale yi tete leen ci wàllu diine waaye góor góorlu itam ba du duñu fàtte eh, seen wàllu àdduna ci boppam eh, loolu sax tax na ba li nga laajte mooy sax jamono bu nekk daara ji mu ngi indi lu bees parce que daara ji bëggul benn jamono ay doomam des ginnaaw ci wàllu àdduna ndax àdduna ak diine ñoo ànd Eh, ba yàlla ne na nga jaamu sa borom dafa wax ni wala tansa nasibaka min ad-dunya kon loolu moo tax jamono bu nekk ñuy xool lu gën a méngoog jamono te gën a mën a yee xale yi gën leen a mën a eh, gunge ci seen wàllum njàng daara ji dal di jublu ci loolu moo tax beesal yi ngeen fii gis at yi yëpp ñu di ko beesal incha allah te ci kanam la jëm eh, beesal bi gën a mag nag te ñu di ci xaar état bu Sénégal Euh, di ci xaar euh, wooy defal yàlla yi ci réew mi yëpp mooy euh, beesal gi ñu bëgg a beesal daara ji tëggaat ko ci gan anam mooy yaatal ko ba li ko soxla ci réew mi man ko jot ndax tey sur inscription daara Ahmad Sakhir Lo la wet bi passé bi nga yeewoo rek fekk nga fi ñi rang cent soixante-quatorze personnes yoo xam ni ci guddi gi lañ ñëw fanaan pour rang ngir am place te procès bi nga xam ni moom la ñuy xaar gouvernement bi dimbaliñ ci ñu am suuf suñ ko jëmmale bu prosé boobu ñëwee tey ñooñu yépp di xaar daara ji dinañ leen mën a jël incha allah euh, defaraat leen suñu kémtalaay kàttan man leen a delloowaat ci biir réew mi ñu daal di mën a jëriñaat seen réew ak seen diine xëy na kilifa yi ñu ngi dégg euh, te xëy na itam euh, ñu ngi ci Euh, yàlla mën naa def at bii di ñëw dootul nekk càkkutéef dañu leen di wax ni lañ doon sàkkukat alhamdulilah yàlla dimbali nañu ba kilifa yi defal ñu ko xam nga réew daa yaatu li nga bëgg euh, du lépp ngay man xëy na dossier yi dina bari waaye jàpp naa ni dossier Daara Ahmed Sakhir Lo incha allah kilifa yi dinañ ko bàyyi xel moo xam tey la wala suba la incha allah waaw waaw loolu nag moom dama koy yëkkatiwaat rek mooy woote jàmm. woote jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj te fitna yàlla dañu ko tere ndax nee na ay du yem ci bopp boroom wattaqu fitna la tusibanna allazina zalamu minkum xassa kon damay continuer waat di woote di woote ñi ŋànk réew mi yépp rawatina ñi nga xam ni ñoom ñu ngi xëccoo réew mi kenn ku ne bëgg fee toogaat wala bëgg koo yori ëllëg nañu fexe ba waxtaan ba jàmm mën a am ci réew mii di sunu gaal ndax li nu jik rek mooy li ma waxoon léegi nekk ci biir gaal gi àndandoo di joowandoo comme ni ko sunu maam yi de doon defee maam yi yar nañ ñu ci lu bare bari bañ nañ ko ba euh, euh, añ bi ci digg ëtt bi lañ koy teg ñëpp ñëw sukk bu dee ca suñu dëkk sax ca penc bu jëkk lañ ko daan teg woowaa dëkk bi yëpp loolu day tekki ni Sénégal li ko jig mooy jàmm leneen lu dul jàmm jigu ko. Voilà, je du Dara. Euh, cette année, la particularité a été effectivement de réduire la dimension euh, de la fête. Euh, simplement parce que les années passées, le DARA mobilisait beaucoup plus de personnes. les parents d'élèves venaient de partout. Les invités également venaient de partout. C'était des fêtes, une fête, une très grande fête qui était organisée. Mais compte tenu du contexte, le DARA a opté de réduire la dimension de la fête et de l'organiser euh, de la façon la plus simple, la plus modeste possible, mais qui recouvre toute la symbolique de la fête. Parce qu'en vérité, il est question de fêter 145 euh, apprenants qui ont appris par cœur euh, le Saint-Coran. Même si c'était un seul apprenant qui avait mémorisé tout le Coran, euh, il mériterait d'avoir une fête de la dimension des fêtes des années passées. Cette année, comme j'ai expliqué, le DARA a opté, euh, en relation avec les parents d'élèves, d'essayer de simplifier euh, l'organisation, de la réduire. Question de prendre un peu de recul et d'évaluer tout ce qui a été passé, tout ce qui a été fait les années passées. D'apprécier un peu sur quel pied, dans, sur quel pied se lancer pour les prochaines années. Euh, en vérité, si au sortir de cette organisation euh, qui a sa portée euh, symbolique, mais qui a également sa portée historique et sa dimension spirituelle, vous avez vu les enfants réciter le Saint-Coran, vous avez vu tous les témoignages qui ont été apportés ce soir, aujourd'hui. au sortir de ça, donc, le DARA, les parents d'élèves, la direction du DARA vont euh, apprécier et mesurer euh, l'importance et, l'opportunité pour les années suivantes en fonction des contextes. Euh, l'opportunité donc de l'organiser avec une dimension qui, est, qui est à la, comme les années suivantes. Le, thème de cette année est, de savoir donc l'éducation religieuse, l'apport de l'éducation religieuse dans le développement de la société. Euh, et c'est ça aujourd'hui qui a montré, si vous avez suivi un peu euh, les résultats que les apprenants ont donné, si vous avez écouté plus ou moins tous les développements que les invités ont eu à apporter sur euh, l'apport du développement de la société assis sur l'éducation religieuse, vous aurez compris qu'on ne saurait avoir une société juste et progressiste que si on s'adosse davantage sur l'éducation religieuse. Mais parfaitement parce que ça les prépare à affronter demain la société, ça les prépare à affronter la vie. Euh, l'éducation, dans le Saint-Coran, il y a absolument tout. Si euh, l'éducation des enfants est fondée sur les préceptes de la religion, sur le Coran, il n'y a pas de raison que les enfants puissent être des enfants, de, des adultes de développement, des adultes parfaitement intégrés et qui euh, lancent un développement euh, prometteur pour leur société. Euh, le DARA s'adapte de plus en plus et aujourd'hui, vous avez vu avec la dimension du, DARA, le nombre d'effectifs qu'il y a aujourd'hui, euh, le cadre dans lequel le, DARA évolue, vous comprenez effectivement que le DARA développe des projets. Des projets, un projet d'extension, euh, qui pourrait aider à mieux accueillir. Parce que euh, je pense que ce n'est plus un secret. Euh, aujourd'hui, le DARA est amené à même refuser l'inscription de certains, parce que de, certains demandeurs, donc de parents qui voudraient que les enfants viennent, simplement parce qu'il n'y a pas d'espace aujourd'hui. Et le Dara, la volonté du Dara, c'est de reprendre tout ce qui vient, tout ce qui vient vers lui, pour essayer de développer, enfin, pour essayer d'acquérir euh, une éducation. Malheureusement, euh, le, cadre n'étant pas ça. Et le développement social étant tel qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse avoir un espace beaucoup plus important, avec des infrastructures à la hauteur, parce que dans le projet d'extension du DARA, euh, il est prévu de, mettre en place, d'installer des équipements qui soient à la hauteur de toutes les universités, toutes les écoles aujourd'hui modernes du monde. Parce que, euh, comme je disais au départ, l'ambition de Dara, c'est de donner la meilleure qualité d'enseignement dans le meilleur cadre possible. Euh, nous pensons que c'est une requête qui est là et qui pourrait très prochainement euh, trouver une satisfaction. nous, lançons, nous lançons cette requête-là à l'endroit de l'État, qui à côté de cette requête peut-être a plusieurs autres requêtes. Mais nous pensons que notre heure viendra et que notre heure est très proche que l'État, tout comme les, toutes les bonnes volontés qui continuent d'appuyer le DARA, continueront à pousser pour que cette requête soit satisfaite dans les meilleurs délais. En tout cas, c'est une demande pressante qui est là et que nous continuerons d'entretenir aussi longtemps que nous n'aurons pas satisfaction. Parfaitement, euh, le DARA, euh, à la personne de son directeur général, estime effectivement qu'il ne saurait y avoir de développement il se il souhaite avoir une vie tranquille s'il n'y a pas la paix. C'est dans ce sens qu'il appelle de toutes parts les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, pour que tous nous œuvrons euh, pour la paix. Comme nous le réclame, de, nous, nous, nous, derrière la religion, nous l'enseigne notre Coran, c'est que dans la paix et la tranquillité, que nous pouvons réfléchir, que nous pouvons nous développer et que nous pouvons développer notre pays.